Yamale! Yamale! Yamale! Yamale! Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Ce travail, ce travail, Nous voulons. Travailler. Travailler. Nous voulons. Travailler. On veut. Travailler. Nous voulons. Travailler. Nous voulons. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. OK. C'est bon les gars. bana. Bana. baax alaikum. na baax présentation Waouh, man la Moustapha Gueye musiciens, bassistes, Waflas et je fais partie de l'association des musiciens de la région de Thiès. Aujourd'hui, nous organisé sitting pour voir que Sénégal, il faut que nous aille les Sénégalais. Il y a des Sénégalais qui sont très bons, qui sont très bons, qui sont très bons, qui sont très bons. Tout Sénégal, nous devons y aller tous. Nous sommes là depuis 9 mois. Nous 4 semaines pour nous travailler. 4 semaines, samedi donc ce qui veut dire que sur 9 mois on a travaillé que 8 jours 8 jours il da jour heures de temps au maximum wala 3 heures maximum donc ce qui veut dire que nous liñuy ligay bariwul ñun parce que nous ay responsable lañu suñu soirée nous dañuy joué ay mag ay kilifa ñoo fay ñew Nous wax barrière nous ñun école ñun ñoo ko mën a gën a mën a respecté transport bi ñun ñoo ko gën a mën a respecté marché yi ñun ñoo ko gën a mën a respecté Auchan ñoo ko gën a mën a respecté ñëpp donc ay responsable lañu donc nañ ñu yemale ak yeneen nit ñiy liggéey ci dëkk bi te xam ne ñun ay boromi kër lañu dañu am njaboot am ay responsabilités yoo xam dañ ko dañu nekk ci suñu kaw loolu la ñu bëgg a wax ñuy wax autorité yi sénégalais yi ñëpp nañ xippi seen gët yi di xool parce que li ñuy def ni teguñu ko fenn c'est de l'injustice injustice boo xam ne ni kenn xamul lan la parce que li ñu leen di laaj mooy lan moo tax ñun ñu bëgg ñoo tere ñu liggéey boobu ba léegi ñu ngi leen di laaj mais xamuñu li ñuy tontu donc ce qui veut dire qu'il li ñu mën a wax mooy noon nekk kilifa nekk ci dëkk ya dugg sa biir sa biir saal bind sa benn arrêté ni ñii nañu liggéey ñii bu ñu liggéey loolu tegewul fenn bu ñu bëggee bu ñu bëggee bu ñu bëggee def loolu ni ñu woo sénégalais yëpp. ñu concerté wu xool lan yan mesure lañ jël parce que ñun ñoo la gën a conscient ci bi am na on sait que maladi maladie existe mais maladie bi jógee gu fi te il faut ñu liggéey pour dundu li ñu mën a wax mooy nañu woo en concertation ñu xool yan solution la ñuy jël pour nit ñi dem liggéey Sénégal jëm kanam artistes yi jëm kanam ñëpp jëm kanam Wassalam. Yemale. Yemale. Yemale. Yemale. Yemale. Yemale. En français. Bon. Nous voulons travailler dans de bonnes conditions. Mag, mag, Jaïf. Mag, allez. Les gars, ils n'ont qu'à organiser pour moi. Makumba. Euh, je suis artiste plasticien euh, président de l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès Tay nak euh, sunu rassemblement bi dañu ñëw sous nos frères musiciens parce que nous la communauté artistique communauté la donc on forme l'industrie culturelle de cette ville et du Sénégal c'est que <clears throat> moi je pense que l'autorité elle li comprend comprendre moi mesure euh, sans pour autant khalat au préalable si conséquences yi parce que conséquences économiques réelles, réelles conséquences économiques, économiques de toucher non seulement l'hôtellerie à Thiès de toucher la restauration à Thiès de toucher le secteur même du transport à Thiès parce que y a quand y a un spectacle dans une structure comme par exemple Champs Prestige ou bien Palais des Arts, c'est tout le secteur du transport qui en bénéficie, c'est toute une chaîne de restauration qui en bénéficie. te secteur est mort, et wax pères de famille yu Baré Baré Baré donc moi je pense qu'encore une fois comme on l'avait dit euh, balaa de jël mesure da mesure impact am si parce que quand on gouverne on gouverne pas dans le mépris on ne gouverne pas dans l'arrogance. Parce que moi, je me dis qu'il y a certaines positions ou bien certaines mesures, c'est avec arrogance, c'est avec mépris. Et moi, je pense qu'on ne peut pas étouffer le monde de la, culture pour un peuple qui vit. Ce n'est pas possible. On sait que le virus existe. Nous, on a tout fait pour participer à la communication, pour parer à la propagation du virus. Donc, on est conscient de ça. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, Personne au monde ne peut nous dire quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter. Personne. Donc prendre cette mesure, nous demander d'arrêter de travailler, c'est nous arracher notre dignité. Et ça, on ne l'acceptera pas. Donc on profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement, de leur dire que nous, artistes de Thiès, nous demandons et nous réclamons notre dignité et notre dignité c'est notre travail. Donc laissez-nous travailler, laissez-nous travailler, laissez-nous travailler. Euh, président directeur général du groupe SAMS. Donc nous sommes là en tant que promoteurs de spectacle. et nous ñun ak ñi ñëpp ñun ñoo combat bi gars yi parce que yamale bi sax nañ ko sens le Sénégal c'est un pays sous-développé la population vit au jour le jour on ne peut pas se permettre de confiner les gens on ne peut pas se permettre de dire aux gens d'arrêter de travailler ça c'est impossible nous devons apprendre à vivre avec le virus wax nañ ko bu

xoolaat bu baax décision yi ñu jël ñu xoolaat ko saytuwaat ko bu baax ñun moomuñu tolluwuñu ci bay mën a tax ñu naan ñii bu ñu liggéey nan liggéey bu ñu liggéey tey ñii nga xam ni mooy tubaab yi seen dëkk attan na ko ñoo ñu raw fuuf te gëm naa ni dañuy gën a nasaxal ak feebar bi am na feebar yu ko gën a doy fuuf boo demee li ñuy rob ci Sénégal par jour Moi, ëpp li corona bi di rey te feebar yenu yor mo gëna grave corona il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus ku feebar dem faju ji ku nek jël say responsabilité donc loolu lañ amoon lu leen di wax merci. donc euh, merci beaucoup man ma ngi tudd Aliou Sow représenté association des techniciens événementiels de Thiès moy les techniciens de son alors li ñu wax légui ci yemale je crois que.

or Sénégal war nañu xoolaat ce système laa xam ne ñun ci njaboot gi la ñu bokk war nañ ca bàyyi xel loolu laa bëgg mu leer ci bopp nit ñi merci beaucoup jërëjëf